forum district le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu le forum district do kalangu est 18h15 à Niamey. Monsieur, dames, bonsoir. Vous êtes toujours à l'écoute du studio Kalangou. Merci de rester en notre compagnie pour le forum de la presse à la présentation Soumana. Rappelons que le réseau des radios partenaires du studio Kalangou s'est élargi à la radio Sugi Dayoru, Alher de Bankilare et Challenge FM 96.6 à Niamey soit un total de 34 radios sur l'ensemble du Niger. Comme chaque vendredi, nous recevons nos confrères journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite ou en ligne. Avec nos invités, nous allons passer en revue et décrypter l'actualité qui a marqué cette semaine. Nous allons tout d'abord évoquer la 39e édition du championnat national de lutte traditionnelle qui s'est achevée le 3 janvier dernier. Ensuite, il sera question de la promulgation et de l'application de la loi des finances 2018. Aussi, nous allons parler de la marche suivie de meetings organisés dimanche dernier par l'opposition et les non-affiliés. Pour terminer, nous aborderons le délai accordé par les autorités aux combattants nigériens de Boko Haram pour se repentir. ils avaient jusqu'au 31 décembre 2017 pour se rendre. Pour discuter de ces sujets, nous sommes dans ce studio avec euh, Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Roufaï Dandoua, journaliste indépendant que nous attendons incessamment, et Elhaï Suleiman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être ici ce soir. Bonsoir à tous. Euh, au cours de ce forum de la presse, nous allons tout d'abord commencer par le sport avec euh, l'actualité sportive de ces deux dernières semaines, la lutte traditionnelle. Du 25 décembre 2017 au 3 janvier dernier s'est tenue à Zender la 39e édition du sabre national. C'est le lutteur de la région de Zender Tasiusani qui a remporté le sabre. Il succède à Yaya Kaka de Tawa avec lequel il a disputé le combat final mercredi à l'arène de lutte Langalanga de Zender. Je vais commencer par vous, Monsieur Arimi, qui êtes spécialiste en la matière. Donc, euh, est-ce que vous vous attendez à ce résultat pour la lutte non, évidemment que le champion, euh, Tassou, n'était pas du tout euh, attendu. C'est d'autant plus que c'est carrément un nouveau. Et puis euh, déjà à la euh, phase individuelle, il y avait 15. Parmi les 15, ils étaient deux, tout au plus trois, à ne pas être connus. Il y avait lui, il y avait Dalla euh, de DIFA. Et puis, euh, voilà, tous les autres étaient vraiment des, euh, des, lutteurs très connus pour avoir discuté les demi-finales, les quarts, voire la finale. du coup, chacun s'attendait où euh, à ce que le champion euh, sortant, bien sûr, euh, gagne euh, récidive ou fait face à un doublé, ou que le lutteur de Dosso, ou voilà les lutteurs de Zender, qui depuis le début ont montré une certaine euh, puissance, euh, surtout devant leur public et tout. Mais il y avait Maradi qui était jusqu'à l'avant-dernière journée, pratiquement, à, la dernière journée, qui étaient jusqu'à 4. Donc moi, je pense que c'est une surprise. Une surprise. Et c'est pourquoi aussi, entre guillemets, ça suscite euh, beaucoup, beaucoup de, de remous. même si sa victoire, pour moi, sa victoire en finale vraiment était très valable. Merci, Monsieur Arimi Yaroufaï qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Je vous donne la parole, Monsieur Suleiman. Comment aviez-vous apprécié le déroulement de ce championnat euh, ben, Franchement, très décevant. Très décevant parce que simplement, euh, euh, j'ai comme l'impression au niveau arbitrage, en tout cas dans l'ensemble, si on doit noter, il me paraît évident que c'est catastrophique comme résultat. Et aujourd'hui encore, même après la lutte, on est en train de voir, en tout cas à travers les réseaux sociaux, les conséquences de cette mauvaise gestion du championnat. Et je pense que c'est bien regrettable. Euh, je ne suis pas sûr que, euh, comme le dit, le euh, Arim tout à l'heure, que au, au, regard, en tout cas nous en tant qu'observateurs, euh, J'ai une question, une seule question. Malheureusement, on n'a pas cette opportunité de demander à l'arbitre, en tout cas qui a présidé la, qui a dirigé la, la, la finale. Euh, il est justement un seul maître. Mais quelle était l'opportunité de siffler à ce moment-là, franchement Donc c'était cela la, vraiment la question qui tord l'esprit. En fait, pourquoi il a sifflé euh, Puisqu'il n'y a pas d'obstacle en tant que tel. Euh, mais bon, il, il, a, il a, sifflé. Euh, il, a, il, est arbitre, donc, mais franchement parlant, la finale, c'est suffisamment grave il ne faut pas gérer ça avec euh, légèreté. Certains passionnés parlent de je ne sais pas, Est-ce que vous êtes d'avis euh, Bon, on a dit qu'on était sanctionné par rapport à cela. Dans tous les cas, moi je pense que euh, pour répondre à votre question, franchement, la, le championnat, il y a beaucoup de choses à, redire sur son, de, Et je pense qu'on doit tenir des leçons. De façon générale, je pense que pour éviter certaines situations, il faut non seulement appliquer euh, le règlement, en tout cas, je pense, euh, il faut être rigoureux parce que aussi l'autre aspect, au niveau du public, euh, vraiment, j'ai constaté des situations d'indiscipline caractérisées au niveau du public. Par exemple, si on voudrait vraiment promouvoir le vrai but de la lutte nationale, c'est vraiment, on dit, l'unité nationale, la cohésion nationale. Par exemple, lorsque dans une situation où une délégation est euh, censé quand même respecter un certain nombre de principes, il arrive à, passer outre. Il y a vraiment, franchement, et on a vu par exemple, euh, Télé ne peut pas montrer ça parce que c'est un média national, mais on a vu des scènes de violence. Euh, euh j'avoue que c'est assez dégueulasse ce qu'on a, ce qu'on a, qu'on a vécu pendant ces ces dix jours-là. je pense que véritablement le comité de Kassam a échoué. Et lui-même, en tout cas, je pense que en tant que, en tant que ministre, il a vu, par exemple, lorsqu'il parlait, les gens ne l'écoutaient même pas. Tout cela, vraiment, c'est dératé. C'est une autorité qui parle et on a vu comment les gens, en tout cas, le hué. Euh, bref, euh, moi, de mon point de vue, véritablement, euh, ce championnat, en tout cas, c'est un fiasco. Merci, Monsieur Suleiman. Donc, Rufai, vous, vous étiez sur place pour la finale. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué pour ce championnat Hum, je pense qu'il faut, <clears throat> pour parler de la lutte, il faut euh, dépassionner le débat. Surtout nous, en tant que, en tant qu'observateurs, en tant qu'hommes de, de médias, pour parler de cela. Et je pense aussi que Facebook a été pour beaucoup euh, dans l'animosité qu'on a vue, dans la haine qu'on a vue. Et aujourd'hui, on a, on a vu euh, ça a toujours été ainsi que lorsqu'il y a la lutte traditionnelle, le sentiment régionaliste ressurgit comme on dit, à chacun de nous sommeille un sentiment régionaliste, puisque la lutte traditionnelle, dès qu'elle est là, tout le monde euh, supporte sa région. C'est la seule discipline, plus que le football. Mais je pense que pour nous qui avons l'habitude de, couvrir la lutte traditionnelle, moi je crois que ça fait plus de dix ans que je couvre la lutte traditionnelle, et la 39e édition n'est pas la plus mauvaise tant dans l'organisation que tant que dans tout ce qui s'est passé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ici à Niamey. Je ne sais pas si Alhaji Suleiman était au Niger, sûrement qu'il était aux États-Unis, il n'a pas vu ça, où il y avait eu une guérilla urbaine pratiquement ici à Niamey, où pour la première fois de l'histoire du Niger, on n'avait pas remis le sabre à la reine traditionnelle. Il a fallu qu'on aille au ministère de, de, de, sport pour remettre le sabre parce que les gens de Niamey ont refusé qu'on donne le sabre à au Salon, vous vous rappelez où le ministre à l'époque, euh, Hassan Kounou, était incapable de prendre une décision. C'est en ce sens que pour la première fois, je tire mon chapeau à Kass Mokhtar parce que, quoi qu'on dise sur lui, il faut lui reconnaître que cette fois-ci, il a géré beaucoup de situations qui étaient difficiles à gérer. À l'époque, il y avait une réunion de crise au, au, à la primature. Nous, on a été à la primature parce que c'était difficile de canaliser les gens. On a fait sortir la gendarmerie pour canaliser les gens ici à Niamey. Parce mais que vous les gens faites la comparaison oui, de Zender à Maradi, non, je ne pas la comparaison. C'est pour montrer que quelque chose a manqué selon vous pour cette pour montrer, C'est pour montrer que la lutte a toujours suscité ce genre de choses. À chaque fois qu'il y a la lutte, chaque région, chaque supporter veut voir son lutteur gagner. Aujourd'hui, Tassu Sani a gagné. C'est vrai que personne ne connaît Tassu puisqu'il est à sa troisième participation. Les gens ne le connaissaient pas. Mais il faut suivre la lutte aussi pour voir sa progression. Arimi disait que c'était une surprise. Certes, c'est une surprise, mais depuis qu'il a gagné la dernière fois une coupe face à Adamou Abdou il avait imaginé quelqu'un qui prend un gars comme Adamou et un gars de 120 kilos qui le terrasse et qui l'enlève de la terre pour le terrasser. Depuis lors, les spécialistes ont vu en lui une progression et on avait pensé que ça allait eh, être une surprise. Mais c'est vrai, on avait pensé que Hayaya Kaka allait être euh, le repartir avec le sabre. Moi personnellement, je pensais que ça allait être la lutte tambour d'Ottawa ou de Antela de, Zender, mais la lutte ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de paramètres que les gens ne voient pas. Et la lutte, les gens disent que ça ne se ça ne se faisait même pas dans l'arène, ça se faisait ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui font que quand il y a la lutte traditionnelle et eh, les gens ne voient rien, ne comprennent rien, mais on a la passion, on veut chaque fois que ça soit le gars de ma région qui gagne. Tous, on veut ça. Mais moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette lutte, au-delà du, tricage, le tricage, la tricherie, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les anciens, les armées doivent savoir que en 82, déjà, lorsque eh, Bala a gagné le sabre, Langalanga lui a laissé ça. Vous vous rappelez lorsque eh, le défunt de Tawa a gagné le sabre, Haruna lui a laissé ça et Omar Mati, quand il avait gagné son sabre face à euh, Yahya, quand Yahya Kankare a gagné le sabre autant pour moi face à Omar Mati, il lui a laissé ça. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé le tricage, mais ça, euh, on a vu que ça, ça naît de trop ces dernières années. C'est plus flagrant. C'est plus flagrant parce que euh, je me rappelle autant de Abdou Sida, l'ancien président de la fédération, il avait même promis à chaque fois que tu traces, au-delà de points que tu apportes à ta région, on te donne de l'argent aussi. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pour ça qu'il faut une vraie refonte de la lutte, pas une, une refonte euh, euh, légère de la lutte traditionnelle. Mais moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'on sanctionne les gens de Dosso et les gens de Difa. Pourquoi on doit sanctionner les gens de Dosso Parce que lorsqu'on avait donné euh, la victoire à Yahya Kaka de face à Isaac Isaka, les gens de Dosso et les lutteurs et les responsables ont, tout saccagé à Zender. Ça, il faut prendre des sanctions énormes. Il faut les sanctionner. Il faut sanctionner les gens de Difa. Pourquoi Lorsqu'il y avait eu le combat en quart de finale, je crois, entre Dalla et Tassu, le vainqueur, le champion actuel, quand il y avait eu de, de problèmes, c'est vrai que quand tu regardes la lutte, même si tu étais dans l'arène, c'est difficile de voir la tête de qui était tombé en premier. C'est pour ça que je crois que l'arbitre a dit de, recommencer. oui, rapidement pour finir cette <laughs> partie. Quand maintenant, il y avait eu le jury qui a dit de reprendre la lutte, l'arbitre a dit de, reprendre la lutte, le comité a dit de reprendre la lutte, je crois qu'il faut respecter, il faut eh, respecter et le public qui était là, et le ministre, et le sultan, et les invités qui étaient venus, et la nation tout entière qui regardait pour reprendre la lutte. DIFA a refusé le petit voulait reprendre, mais la délégation a dit qu'il ne reprend pas. Je crois qu'il faut sanctionner aussi la délégation de tout comme il faut euh, sanctionner la délégation de Dosso, parce que... On... Oui, la, la, petite finale aussi, il faut sanctionner les gens d'Ottawa. L'année passée, à Tawa, ils ont fait la même chose. À chaque fois qu'ils doivent venir à la lutte, ils font une heure, deux heures de temps après tout le monde. Ça, il faut le sanctionner. Il faut sanctionner tout celui qui est, qui est fautif pour qu'on donne un caractère eh, de cohésion, un caractère d'unité, un caractère rassembleur de cette lutte traditionnelle. Merci, Rufai, pour toutes ces précisions. Donc, euh, Arimi, je reviens à vous. Vous êtes journaliste euh, à la radio alternative. Selon vous, que faudrait-il le corriger pour les prochaines éditions pour que cela ne se répète plus Oui, euh, merci. Euh, a ébauché euh, cette question. Euh, et bien évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de passion au cours, autour de la lutte mais c'est aussi caractéristique du sport. Il n'y a pas de sport sans passion. par contre, c'est facile de s'en prendre à un arbitre. Euh, je les ai toujours défendus. Euh, vous pouvez être sûr, je ne connais aucun parmi eux, en tout cas de relations personnelles. Mais euh, au football aussi, je l'ai, je toujours fait. Parce que c'est les personnes sur... En sanctionnant les arbitres, on ne règle absolument rien du tout. Si vous avez vu le combat qui a suscité le problème avec Dala de, de Difa, l'arbitre a même voulu soulever la main de Dalla, a hésité et leur a dit finalement de relutter. Euh, or, ça, ça dénote un manque de confiance en soi des arbitres. Qui donne la confiance aux arbitres C'est les encadreurs, c'est les dirigeants. Mais on est allé à la lutte sans fédération. Ça, il faut régler ça et remédier très vite. Et d'ailleurs, c'est l'occasion. Je crois que euh, s'ils nous entendent bien, ils doivent déposer le tablier dès ce soir pour qu'on parte de sur de nouvelles bases. Euh, D'aucuns ont salué aussi le courage de, de Mokhtar. Je ne suis pas d'accord. Il est à la base, c'est normal. Le feu qu'il a allumé, c'est à lui de l'éteindre. Euh, il a fait en sorte qu'on est allé sans fédération à une lutte, à, à un sabre national. Et qui a vu le président du, comité dans tout ça On salue le courage au moment de N'est-ce pas Ok, ok. Non, mais c'est lui qui l'a allumé. Mhm. C'est lui qui l'a allumé. Il pouvait. Ça, je suis. J'ai toujours été contre le fait que euh, un ministre est obligé d'être là pendant dix jours assis en train d'organiser une compétition de lutte. Ce n'est pas son travail. Si tu as des encadreurs en qui tu as confiance, c'est leur travail. On voit le championnat de foot, il n'est jamais là-bas. N'est-ce pas On a vu pendant qu'il était à, Zander, il y a eu un championnat de taekwondo à, à Dosso. Il n'était pas là. Donc, c'est pour dire que s'il faut faire quelque chose, ils m'entendent certainement, les messieurs du, ministère, il faut faire la même chose que les autres disciplines sportives. La dernière fois, j'étais avec le directeur national, de, le directeur général de sport, il me dit non, euh, le sabre national, c'est la propriété du euh, ministère. Et si la fédération veut, elle n'a qu'à créer son championnat. Je ne suis pas d'accord. Et c'est que c'est beau, tous les Nigériens ont pris le bébé, l'ont porté à 30, 42 ans aujourd'hui. Et les gens pensent que non, il ne faut pas s'en séparer. C'est un courage qu'il faut avoir de séparer la lutte traditionnelle avec le ministère du Sport. La lutte, comme toutes les autres disciplines sportives, si elle est portée par les médias, si elle est portée par le public, ça va marcher et il faut créer les conditions pour que toutes les disciplines sportives, non pas la lutte seulement, si la lutte peut porter les autres, tirer vers le haut, c'est tant mieux, mais sinon ça n'ira pas, ça n'ira pas, ce n'est pas leur rôle. Voyez, pardon, c'est que le, le, le, le, rôle du DTN à la, au sabre national. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il doit faire. Merci, Lui, il doit s'occuper de la performance des lutteurs. On aura largement l'occasion d'en parler au cours de notre forum spécial traditionnel traditionnel. Merci. je ne suis pas d'accord avec ce que Armi dit. Le sabre national, l'âge le championnat, ce n'est pas comme le football. Le football, le championnat national, c'est le club qui le joue. Tu peux voir à Niamey, par exemple, il y a 10 clubs. À l'intérieur, il y a un club dans chaque. Non, le sabre, les national, c'est les régions qui sont représentées. C'est l'État qui donne son argent. Moi, je vous moi, moi, la, proposition que je fais, la proposition que, que, je fais, c'est ça qui est important. Depuis l'année passée, je l'ai fait, On a parlé avec, euh, comment il s'appelle, l'ancien arbitre, euh, comment il s'appelle, Maître, Maître C'est Ce qu'il faut faire d'abord pour éviter, puisque tout ce qui amène ce problème, c'est les arrangements. Si aujourd'hui, on fait le sabre national, au premier jour, on terrasse 40 personnes. À partir, de, à partir du lendemain, celui qui, est un invaincu, ne peut jamais rencontrer un vaincu jusqu'à la fin. Au lieu de faire 10 jours, on peut, finir le sabre national en une semaine. Moi, c'est la proposition que j'ai faite depuis l'année passée. Si tu es vaincu aujourd'hui, tu ne vas plus rencontrer un invaincu. Et c'est en cela qu'on voit les arrangements. On dit par exemple, les arrangements, c'est quoi on dit, tu me donnes et nous, on va avoir le plus grand nombre de points. Ou bien, on va vous laisser votre lutteur passer. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas dans l'arène que ça se passe, la, lutte traditionnelle. Bon, on va passer sur un autre sujet, je prie monsieur. Non, non, eh, non, on eh, va eh, y revenir à un autre forum, s'il vous plaît. On va continuer. Parce qu'on n'aura pas le temps de finir. Oui. L'arbitre, l'arbitre moi, je, tire un chapeau aux arbitres de la lutte traditionnelle. Parce que ce n'est pas comme les arbitres de football ou les arbitres de judo. Regardez tous les génies, tous ceux qui se passent autour de la traditionnelle. Il y a des fois où tu ne peux même pas voir quelqu'un tomber. On a vu ça au Niger. On a un arbitre, c'est à la seconde près. Oh, oh, est-ce qu'on n'a pas vu au football où on siffle et on marque le but, l'arbitre dit on revient. On a fait ça, c'est ce qui s'est passé à la finale. L'arbitre peut ne pas voir, c'est beaucoup de choses. Messieurs, dames, je vous en prie, on va continuer sur un, autre sujet. Juste un mot pour dire que ce qui est en train de se faire sous prétexte du, du sabre national, ça n'a absolument absolument rien de sportif. Le sportif, c'est de l'amalgame. Il n'y a aucune discipline sportive où les compétitions d'équipe et les compétitions individuels sont mêlés. Non, il faut faire deux compétitions différentes. Il y a une compétition où les gens s'affrontent pour leur titre personnel et une compétition où les équipes s'affrontent. Mais qu'est-ce qui se passe au sabre national Au sabre national, on fourre tout le monde dans le même euh, paquet. Si tu es déjà tombé une fois, ça veut dire que, bon, tu ne vas pas. Or, c'est de l'amalgame, ça ne se fait pas, je vous dis, ce n'est pas du sport, c'est le folklore. Merci Harry, merci. Nous poursuivons ce forum. Voilà, nous continuons ce forum euh, sur un tout autre plan qui est la loi des finances 2018 euh, euh, votée la nuit du 26 novembre 2017 et qui a été promulguée le 28 novembre dernier. Compte tenu de l'annualité du budget, le constitutionnaliste a précisé que le budget de 2017 devait prendre fin au 31 décembre 2017 et le nouveau budget, la nouvelle loi des finances, entre en vigueur le 1er janvier 2018 raison pour laquelle euh, elle devrait être promulguée avant la fin de l'année. À quel moment et comment une loi votée à l'Assemblée nationale euh, prend effet Le constitutionnaliste euh, Amadou Boubacar Hassan répond à la question. Je vous propose de l'écouter. Lorsque la loi est votée par l'Assemblée nationale, elle est transmise au président de la République qui a 15 jours pour promulguer la loi. C'est une prérogative du président de la République et c'est l'acte à travers lequel le président de la République constate officiellement l'existence de la loi et la rend obligatoire, donc euh, la rend applicable. Maintenant, si on doit déférer la loi au contrôle de constitutionnalité pour s'assurer que la loi votée par le Parlement ne viole pas la Constitution, dans ce délai de promulgation-là, on dessert la loi au contrôle de constitutionnalité de loi. Pour ce qui concerne les lois organiques, le contrôle de constitutionnalité est obligatoire, tout comme pour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour les lois ordinaires, telles que la loi des finances en question, le contrôle de constitutionnalité est facultatif. Tout doit se faire dans le délai de 15 jours à partir de l'adoption de la loi tant que ces formalités ne sont pas remplies, notamment donc la, la promulgation de la loi, une loi qui est votée ne peut pas être appliquée. C'est pour ça, deux fois, lorsqu'il y a beaucoup de contestations dans un pays, si le Parlement vote la loi, au lieu que le président la promulgue euh, dans les 15 jours qu'on lui transmet la loi, il la renvoie en seconde lecture pour que l'Assemblée nationale revoie sa copie par rapport à un certain nombre de dispositions qui font polémique et maintenant pour éventuellement voter à nouveau si en seconde lecture le Parlement vote la loi dans les mêmes termes, donc euh, la loi est considérée comme étant promulguée pour le cas du Niger, euh, on n'est pas arrivé à ces genre de situation. Voilà, vous venez d'entendre euh, le constitutionnaliste euh, qui dit que le délai de promulgation de la loi des finances est de 15 jours. Donc, Elhaj Suleiman, vous êtes journaliste à Niger Inter. Deux jours ont suivi pour promulguer la loi des finances. Que pensez-vous de ce délai ben, Il l'a dit, dans notre contexte, euh, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je pense qu'un gouvernement, euh, un régime euh, repose sur euh, des piliers, une certaine cohérence. Euh, ça a été conçu, je pense que en amont, c'était pas par hasard que les gens ont voulu que, effectivement, que la loi passe dans les conditions que tout le monde sait. Donc, je pense que si elle a été promulguée, quand on sait effectivement, comme il l'a dit, il y a des délais euh, requis. Donc, euh, il n'y a pas de surprise. Euh, maintenant, le débat, c'est que justement, elle continue toujours à susciter des polémiques. Euh, à preuve, la société civile vient de programmer une autre action citoyenne pour le, 14, je crois, janvier. L'opposition vient de, de, de, manifester la semaine passée et entre autres griefs ou bien motifs, il y a justement cette, loi des de, finances. Donc euh, maintenant, je pense que euh, au niveau donc du, gouvernement, euh, donc si, c'est on est passé à cette étape-là, le président a promis la loi, ce n'est que normal. tout simplement, ça montre que véritablement au niveau du régime, il n'y a pas de, en tout cas discordance que, bon, comme je l'ai dit, euh, de bout en bout, les gens sont d'accord que cette loi vaut la peine d'être euh, promulguée, donc votée. Et, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Donc, de mon point de vue, euh, ce n'est tout à fait normal que, d'un point de vue donc, du régime, donc, cette loi, c'est une loi qui, qui est opportune pour le pays. Merci Elhaj Suleiman. Donc, Rufai, vous êtes journaliste indépendant. Habituellement, le journal officiel publie la présentation solennelle euh, de la loi de finances. Et pourquoi, à votre avis, euh, cela tarde euh, cette fois-ci Moi, c'est vraiment. Excusez-moi, mais ce n'est pas l'histoire de la conformité de la loi ou de, de sa constitutionnalité ou non qui, me dérange, c'est certains aspects de cette loi. Je vais prendre un seul aspect. Regardez par exemple l'histoire de, des abonnements à Canal Plus en deux mois, et comment s'appelle L'abonnement Évasion Plus est passé de 18 000 à 22 000 francs. 4 mm-hmm. 000 francs pour les citoyens nigériens. Et personne ne dit rien. On dit non, c'est la loi de finances 2000 qui a été votée qui le veut. Or, bien avant la loi, il y avait 2 000 francs qui, avait été augmenté et personne n'avait rien dit dans ce pays. J'ai comme l'impression que les gens ne parlent, <coughs> tout bord confondu, hein, que quand quelque chose l'arrange. Or, euh, c'est vrai, on va me dire que non, non, il n'y a que des, les, citoyens un peu aisés qui, qui, qui s'abonnent à Canal+. Non, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde peut s'abonner à Canal+, ou à, autre, à un autre euh, eh, canal pour suivre ce qui se passe euh, sur le plan international, parce que la globalisation ou la mondialisation le veut. Mais lorsque dans un pays, et eh, on augmente le prix des, des, des, des produits sans que ça, ça, ça, ça sans que ça ne meuve personne. Je pense qu'il faut euh, qu'on se pose des questions. Où sont les associations de consommation de, de, consommation dans ce pays Il n'existe pas. Ça veut dire que, comme on dit, et même les associations de droits, de droits humains ou des associations de consommateurs ou les, les OSC sont tiraillées de part et d'autre, ou par l'opposition ou par la ah. majorité. Moi, c'est ça, c'est ça qui, au-delà de la loi, elle a déjà été euh, votée, non, votée déjà par le Parlement et promulguée par le président de la République. Mhm. Donc, le problème qui, se pose sur euh, la constitutionnalité ou non ne se pose plus. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Ça, ça c'est un faux débat. Le débat c'est ce qu'il y a dans la loi. Ça a été posé de, en plus, pas en bien, ça a été euh, posé, posé d'une manière très fausse parce que eh, ça arrange X ou Y ou ça n'arrange pas X ou Y. Moi, moi, ce qui me, préoccupe, c'est ce qu'il y a dedans et qui est en train aujourd'hui d'engloutir le pauvre citoyen nigérien que nous sommes. Nous allons y revenir euh, tout à l'heure. Donc, euh, Monsieur Arimi, journaliste euh, à la radio alternative, euh, on dit que la loi de finances a commencé à être appliquée le 2 janvier. Ce 2 janvier-là, à votre avis, à quelle hauteur les coûts vont-ils être augmentés sur les services bon, ce on voit ce qu'il y a de plus euh, direct. Euh, vient parler de, c'est un, exemple précis euh, parce que eux ils ont pris aussi le temps de nous envoyer nous consommateurs pour que euh, au paiement on ne soit pas surpris. Il y a deux semaines je suis allé payer ma facture d'eau. le monsieur qui était là il me dit non, euh, le, prix du timbre, c'est 200 francs, pour, euh, même pour la loi de finances passée et que ils depuis janvier, ils n'ont coupé que 150, 150. Donc il faut qu'ils rattrapent parce qu'il m'a vu avec de l'argent. Je vous dis sincèrement, ça c'est moi qui ai vécu. Vous voyez, personne n'a Il m'a, rattrapé sur mon argent. Il ne sait pas si j'ai un autre programme. Mhm. Il ne sait pas si je prends taxi après le paiement de la facture ou vraiment quoi. Il a, il m'a dit, monsieur, je veux prendre ça. Il a fait 50 euh, francs fois 9, 450. Mhm. Il a pris. Après, il me dit, il n'a pas de monnaie. Est-ce que les 200 francs qui restent, il peut mettre ça dans mon compte pour que la prochaine facture, en payant, il... Mais donc, ça, c'est des choses qu'on va vivre. Mhm. Je viens déjà d'avoir ma facture euh, d'électricité. Je vous avoue que c'est la plus chère depuis 3-4 ans. Euh, or, on, ce n'est que euh, ma facture, je parle de ma facture de novembre parce que pour euh, la Nigelec, c'est la facture de novembre qu'on paye. Donc ça, tout le monde vit ça dans sa chair. Bon, contrairement à ce que euh, fait, a dit, moi je pense que beaucoup d'organisations de la société civile essaient de prendre à bras le corps ce problème n'est-ce pas Déjà le 21, une tentative de mouvement a été faite, mhm. ça a été interdit, repoussé au week-end euh, sous prétexte de l'arrivée de Macron, ça a été interdit. D'ailleurs, nous, à Alternative, on a passé une journée sous contrôle policier avec quatre véhicules, euh, plus de quoi trente policiers. Euh, on rentre, on sort, on nous contrôlait. J'étais le premier à venir, moi, on m'a contrôlé, on m'a demandé c'est qui. J'ai dit au oh, monsieur, mais comment je viens chez moi, vous me demandez c'est vous, vous êtes qui Il m'a dit, ils sont venus faire le travail. Donc, on essaie de faire des choses, mais maintenant, c'est aux, citoyens personne ne va venir défendre quelqu'un. Mais peut-être que les populations jusque-là n'ont pas encore compris ce que ça signifie. Non, ils vont vivre. Moi, je pense que ce mois-ci déjà, les gens vont commencer à vivre ça dans leur chair. Et je suis persuadé que cette loi ne va pas finir euh, telle que elle est, parce qu'elle comprend tellement de mesures impopulaires où euh, nos, nos, nos, dirigeants sont coupés carrément de la réalité du Nigérien, qui en ce moment est extrêmement pauvre, ou alors euh, ils disent, bon, on va aller, c'est un ballon de C, si ça marche, ok, sinon, s'ils euh, sortent euh, et qu'ils euh, battent le pavé, mais je crois que la population sera obligée d'adhérer, on n'a pas le choix. Merci, Armi. Je donne la parole à... Eh. Non, non, non, vous, avez... Non, lui d'abord. Avec, sa permission, regardez, moi, je suis dans une maison de, de location. Une maison de quelqu'un qui a conçu sa maison et qui l'avait conçue de la manière dont il va l'occuper. Maintenant, elle met un, un compteur de 12 kilos, c'est ça, non Or, dans la nouvelle loi de finances, un compteur de 12 kilos, au lieu de 3 000 francs, c'est 6 000 francs. Déjà, quand vous regardez, moi, je vais... Euh, sur ma prochaine facture de janvier qui va venir, il va y avoir 3000 francs de surplus parce que j'ai eu la maladresse ou la malchance de venir prendre, de tomber, dans une maison de quelqu'un qui est aisé et qui pense habiter sa maison. Il a mis un compteur de 12 kilos. Vous voyez Vous voyez ce que les gens vont vivre. Je n'ai pas, je pas voulu, mais si la loi est acceptée pendant les, les, prochaines années, je vais vivre ça pendant toutes ces années. C'est ça le problème. C'est merci, Rufai. Excusez-moi, je donne hein. la parole à la Suleiman, voilà, qui est de Niger Inter. Euh, le dimanche 31 euh, décembre, l'opposition et les non-affiliés ont organisé une marche suivie de meeting. Alors qu'auparavant, la société civile a prévu aussi une marche qui a été euh, refusée. Euh, quel euh, est votre avis par rapport à, cette manifestation et quel sens donnez-vous à cela Bon, moi je pense que par rapport à l'interdiction de la marche de la société civile, moi ce que j'ai déploré plutôt, notre fois on en a parlé, c'était que euh, le fait que c'était évident que le, président français venait, donc c'était inévitable, il allait venir, l'initiative pourrait venir soit du gouvernement ou bien de la société civile pour qu'on puisse euh, s'entendre. Vous voyez, faire un, semblant vraiment de dialogue. Euh, écoutez, vraiment, on a quelqu'un qui vient ici. On ne peut pas permettre, en tout cas, aux gens, parce que vous ne pouvez pas peut-être maîtriser vos gens. Vous voyez quoi, ça, ça c'était plus, plus vraiment correct, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais je sais, je sais qu'effectivement, il est très difficile à n'importe quel régime de, tolérer, en tout cas, qu'il y ait une manif pendant que le président français est là. Là, je parle euh, plus de la marche de l'opposition. Maintenant, votre avis par rapport, maintenant, la marche de, l'opposition, je pense que euh, il faut dire que, euh, bon, à l'épreuve de fait, c'est que il appartient maintenant vraiment au, pouvoir de comprendre que véritablement c'est un droit fondamental. Il faut laisser les gens manifester. Le pouvoir a suffisamment quand même euh, de, moyens pour, je veux dire, encadrer une marche. C'est pourquoi on a justement euh, la police aujourd'hui qui est bien équipée. Maintenant, euh, tout le monde sait que véritablement, on a notre, en tout cas, processus démocratique, c'était toujours comme ça. Il y a toujours des, gens gens veulent manifester. Et je pense que le pouvoir actuel, euh, à bénéficier justement de ces avantages. Donc je pense que le plus important, il ne faut pas que le principe soit l'interdiction. Il faut permettre aux gens de manifester, mais bien encadré. Il faut effectivement au niveau maintenant de la société civile et des partis politiques éviter le cas malheureux du 29 octobre, le cas de Actis là, où franchement les gens ont fait des choses euh, qui n'étaient pas vraiment correctes aussi pour vraiment permettre aux gouvernants de laisser en tout cas cette liberté s'exercer. Donc moi, je pense que euh, véritablement, c'est cela, euh, l'opposition a fait son, sa, sa manif, ils ont fait leur discours, il n'y a pas de casse. Ça, vraiment, je dis chapeau à, à, l'opposition. Et aussi, le pouvoir peut s'étaler véritablement d'autoriser une manif. Euh, et on voit que, véritablement, si ça, ça, ça, ça, continue, c'est que, bon, on, on va considérer que même le pouvoir va avoir des points parce qu'aujourd'hui, en fait, en termes de bonne gouvernance, c'est aussi de, euh, à, chaque, année, les enfants, donc euh, l'état de lieu, on va dire que euh, au Niger, par exemple, on ne permet pas aux jeunes de, manifester. Ça, le, régime prend un coup. Mais je pense que, en fait, il faut vraiment être réaliste. Et le pouvoir, je pense que euh, ils ont les moyens d'encadrer donc les, manifs. c'est une très bonne chose l'année 2018 euh, vient de commencer, en tout cas avec cette manif de l'opposition, euh, qui, qui s'est vraiment assumée. Maintenant, pour le reste, euh, la société civile a, a programmé son, sa, sa, manif. notre vœu, véritablement, c'est effectivement permettre aux gens de s'exprimer librement. Maintenant, prendre les gars de fou, effectivement, pour encadrer par la loi, comme en tout cas la loi l'a prévu. Maintenant, le reste, on verra. Donc, euh, merci. Euh, Rufai, je me retourne vers vous. L'opposition se dit, euh, il s'engage à mener une lutte euh, permanente pour, contre cette loi de finances-là. Pensez-vous que d'autres manifestations vont suivre au cours de l'année par rapport à cette loi de finances je, crois que ce n'est pas une lutte de l'opposition, hein. c'est une lutte du peuple nigérien, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, parce que Lorsqu'on va venir chez toi, on ne va pas dire que non, tu es de l'opposition ou tu es de la majorité, la loi ne va pas t'appliquer selon que tu sois de l'un ou de l'autre camp. Non. je crois aussi que et, là, Suleiman, c'est là où je ne suis pas d'accord quand il dit que parce que Macron venait au Niger, un président français, on devait empêcher aux, gens de, de manifester. Il a été aux États-Unis. Chaque jour que Dieu fait, il y a des manifestations devant la Maison Blanche en plus. Et là, on peut même faire la manifestation sans que Macron ne passe par l'itinéraire qui a été choisi. Pourquoi empêcher aux gens euh, d'exercer leur droit constitutionnel Je pense que, euh, y a, comme je, le dis toujours, il y a une sorte de paranoïa qui est là. Je pense que non, quand on permet telle chose, il va y avoir telle autre chose. Non, la manifestation ou la marche, c'est un droit constitutionnel. Il faut laisser et l'opposition et la société civile de manifester pour montrer son mécontentement. C'est comme dit le Hausa Abakashi Anakekuka. Et on est en Traduction. Train, oui, on ne peut pas te, te, bastonner et t'empêcher de pleurer. Vous voyez, donc, et, on est dans, dans, cette situation où on dit non, il faut empêcher telle personne de, de manifester et laisser telle autre de le faire. Non, cette loi de, de, de finances qui a été votée elle doit être euh, combattue par toute la population, pas l'opposition seulement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure quand je, quand je parlais du laxisme de la société civile. Non, ce n'est pas seul. Euh, rappelez-vous, Arimi a parlé de 2005. Lorsqu'il y avait eu la manifestation de 2005 qui avait, qui avait fait reculer les autorités à l'époque, on pensait à l'époque le Premier ministre tout-puissant qui ne pouvait reculer devant rien. Mais non, Lorsque le peuple se soulève comme un seul homme, lorsque le, peuple est victime d'une injustice et qu'il sent la nécessité de dire non quand il se soulève, quel qu'en soit le régime, il va reculer. On l'a vu au Burkina Faso. Les militaires quitteraient, quitteraient un moment, dit non, arrêtez. Ce sont nos frères, il faut arrêter, de tirer sur eux. Donc c'est ça qu'il faut aussi, lorsqu'une loi est impopulaire, lorsqu'elle comporte des, dispositions qui sont contre le peuple, il faut la combattre par tous les moyens. D'accord, donc euh, brièvement avec vous, M. Arimi, donc euh, pensez-vous qu'après ce mois passé, les populations aussi vont comprendre et se mettre à manifester contre la loi de euh, D'abord, un mot sur la liberté de manifesté, euh, la première demande de, de, de, de la société civile, c'était pour le 21. Euh, les autorités ont répondu pour dire que non, on ne doit pas manifester un jour ouvrable. Un jour ouvrable, mais la démocratie n'a pas prévu ça. C'est une liberté constitutionnelle qu'il faut respecter. À l'époque, on savait pas que voilà. Voilà. oui, bah, il a décidé ah comme ça qu'il va venir uh-huh. déjeuner avec ses soldats. Donc, ça, c'est ça, ça, un. Maintenant, moi, je suis persuadé, la taxe dont Rufai parlait, n'est-ce pas Ce n'est attaché à rien du tout. Les gens ne savent que euh, ils ne peuvent pas récupérer ça si leurs agents doivent passer de porte en porte. Mais sur chaque facture de, de la Nigelec, tu payes 1000 francs au moins et euh, parce que sinon la Nigélec euh, va te couper. Et par exemple, ceux qui utilisent les réseaux solaires euh, eux aussi, ils sont soumis, ils sont soumis à une, taxe. Mais sincèrement, moi, je pense que on a l'impression que c'est une taxe coloniale. C'est le colonisateur, c'est celui-là qui est en Europe, qui était en France et qui décidait sur ce que nous, au Niger, nos grands-parents, nos parents devaient payer n'est-ce pas euh, L'impôt que les gens payaient en francs français, euh, ils étaient obligés de faire la monnaie pour payer. On dirait que c'est quelqu'un comme ça qui a réfléchi pour nous imposer ces choses-là. Nous sommes extrêmement pauvres, le Nigériens est extrêmement pauvre. On ne peut pas lui imposer d'entrée des taxes de cette nature. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, on ne nous a pas écoutés, que c'est même promulgué et tout. Moi, je suis sûr que on risque d'être dans deux situations. On va avoir Canal Plus, par exemple, risque d'avoir ou de la piraterie ou très peu de clients, parce que c'est frustrant. Et la Nigélec va continuer à couper euh, les gens, ou les gens vont se mettre à consommer le strict minimum, ou à avoir les panneaux solaires et n'est pas les déclarer du tout, parce que personne ne va venir contrôler. Donc les gens vont essayer de, parce que y compris la nourriture prend un coût. Ça aussi, ça doit devenir très cher. Et connaissant le commerçant nigérien, pour une taxe de 5% ou 1% même qui va monter sur le prix, lui, il va augmenter 1000 francs. Et même le jour où on va lever cette taxe-là, il ne va pas diminuer. C'est ce qu'ils font pendant le carême. Ils augmentent et ça ne descend jamais jusqu'au prochain ramadan et ils augmentent. C'est ça qui va se passer. On est un pays où il n'y a aucun contrôle sur les prix. Ça, le gouvernement doit tenir compte de ça. Parce que euh, aujourd'hui, sur le transport, ils vont augmenter, mais le transporteur, lui, il va aussi augmenter. Hmm. Et on ne sait pas en tenant compte de quoi. parce qu'on augmente 100 francs, mais aussi les 100 francs sur chaque client, ils vont le rattraper. Donc, ça n'a pas été très bien réfléchi à mon sens, oui, les députés ont discuté, mais on ne sait dans quelles circonstances les votes ont été faits. Mais voilà, c'est un front social dans un pays tiraillé par des terroristes et tout de partout qui risque de venir et ce n'est pas de nature à arranger le euh, fonctionnement. Merci Arimi. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de la presse euh, du 5 janvier 2017 qui était consacré au décryptage de l'actualité de la semaine. Nous étions avec euh, Arimi Abakari, journaliste à la radio alternative, Rufaï Dandoua, journaliste indépendant et Elhaï Suleiman Mamadou du journal en ligne Niger Inter. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous samedi et dimanche avec le forum en avec Maman Ada sur les risques que représentent les souris et les rats pour les hommes et les productions. Au revoir.